Nous sommes mercredi 10 octobre 2023. Chers auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Rakia Arimi et avec euh, moi Fanta Shamsou. La technique est assurée par Seini Isaka et à l'édition, nous avons Adama Dawaki. Fanta, bonjour. Bonjour Rakia, comment tu vas ce matin Je vais bien. Alors, pour débuter cette émission, nous commençons avec le flash d'information. Dans la rubrique Entretien, Adam Moussa responsable du projet médiateur interne au niveau de l'ONG Church for Common Ground, nous expliquera le contour euh, d'une médiation, sans oublier notre dose de musique 100% nigérienne. Et dans la rubrique Éco des régions, nous irons à Maradi, dans le département de Mayahi, pour parler de l'importance des forums communaux. Il y aura également la chronique Loti préparée par l'équipe femme de la rédaction. Et nous terminerons bien sûr avec les messages de nos auditeurs. Chers auditeurs, tout de suite, le flash présenté ce matin par Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Rakia. Alors pour ce matin, les opérations pour le retrait des soldats français présents au Niger commencent ce mardi 10 octobre 2023. C'est ce qu'a annoncé hier soir un communiqué du ministère de la Défense nationale. Les opérations pour le départ du premier convoi se feront sous escorte des forces de défense et de sécurité du Niger, indique le document. Pour rappel, le retrait des quelques 1400 troupes tricolores du pays sahélien avait été exigé par les généraux nigériens au pouvoir avant que le président français Emmanuel Macron n'annonce leur départ. Aujourd'hui est célébrée la journée mondiale de la santé mentale. C'est l'occasion pour les personnes et les communautés de s'unir autour du thème La santé mentale est un droit humain universel afin de mieux faire connaître cette question et de mener des actions pour favoriser et protéger la santé mentale de chacune et de chacun en tant que droit humain universel. À cette occasion, le ministre de la Santé publique, le médecin colonel major Garba Hakimi, dans son message à l'occasion de la journée a à souligner l'importance de l'accès aux soins et services de santé mentale. Enfin, le sélectionneur national par intérim de l'équipe nationale de football, le MENA, Zakariaou Ibrahim, a dévoilé la liste des 24 joueurs avec qui il compte jouer deux rencontres amicales contre la Somalie et la Libye, respectivement le 14 et 17 octobre prochain. Il s'agit de trois gardiens de but, neuf défenseurs, six milieux du terrain et six attaquants. Les matchs se joueront au Maroc dans le cadre de la fenêtre FIFA. L'annonce a été faite hier lors d'une conférence de presse co-animée par le président de la commission communication de la FENIFOOT et le sélectionneur Zakariaou Ibrahim. Merci, beaucoup, Rafika. et bonne journée. Merci. Comme nous l'avons annoncé, notre invité est Adamo Moussa, responsable du projet médiateur interne au niveau de l'ONG Church for Common Ground, une organisation qui œuvre pour mettre fin aux conflits violents et construire des sociétés et construire des sociétés sûres et justes. Et juste avec euh, lui, nous allons parler de la médiation dont l'objet final est de prévenir à un accord et, de parvenir à un accord pour clore les différends entre deux communautés. Mais avant, Rekia, faisons un tour en musique avec une chanson de Tangam Imadan, la grande cantatrice du Tadres. Idan na nan gabe landane. إذا أنت توغنيني إذا تقذل غرادن إذا أنا بدي يلادني إذا أنا برم يصدودني إذا أنا ورتقو تجدني إذا أنا تنري لندني hideen na kudi bazile tandane. chanteuse des allées et des Tandé, Tangam Imaden, était renommée dans les départements d'Aderbissinet et même au-delà de la région d'Agadez. Ces chants purement traditionnels expriment l'amour et la promotion des valeurs sociales. Oirakia Tangam était une grande cantatrice. Elle nous a quittés il y a deux semaines de cela, le 28 septembre 2023, à l'âge de 78 ans de son vivant en 2022, le studio de la radio privée Talnaher d'Aderbissinet a pris son nom. عليه هذا قد قبل هبل يليندي هنا قطعودك وانا القرى من هيوان الكتابا هقدر لقدا هباجي هقام الليلي هبوزو دلالي هبركة دلالي هدي كان دلالي شاغتنا كلين بديري سغري بتخمد غري بباري بدي اللؤلؤ غري بدا زيدا غري بما قد غري بتنقود غري بغوش من غري بدا كشد غري بدي وما قرن بدا للي هلا للي هرقتك بين هلقت وديك هون القرمن هون ra ra ra ra دمان قادان ورموسة قريت تدي الجقورو تقرم بينين تقرم بينين ورموسة قروات تدي من اللي نسير ريالين كل بين تمهدين ورموسة في الليل تدوية الكيل الإدمانين الإلالا الإلالا الإلالا الإلالا الإلالا كم يجاوني كندر تدلي يلا لمني قبي مجيدو هادي دجلا هادي تراني دمانقادان هل يدماني هل يدماني هل يلا ينبغي لمن تنغتي بارك الله النترى من تنغتي بارك الله c'était la voix de la grande cantatrice du Tadres Tangam Imadan. Rekia, on passe à la première partie de notre entretien du jour qui porte sur les différentes méthodes de résolution des conflits ainsi que ses avantages par rapport à d'autres approches. Oui, Fanta Adamou Moussa est interrogé par Tarnan Foudé Ahmed. Monsieur Adamou Moussa, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi la médiation et dans quel cas il faut l'envisager Alors, la médiation, c'est la chose que les humains ont en commun le mieux de par le monde entier. Dès qu'il y a le vivre ensemble, il y a le conflit. Et le conflit, s'il n'est pas résolu de manière pacifique et très rapidement, ça peut dégénérer. Et la médiation est l'un des outils de ce règlement de conflit pacifique, rapide et qui inclut toutes les parties en conflit. Qui sont les parties prenantes euh, dans une médiation Dans une médiation, déjà, euh, il faut <laughs> reconnaître qu'il y a des parties en conflit. Ça peut être une, deux parties ou trois, etc. Et il y a le médiateur qui vient au milieu s'interposer pour trouver moyen de sortie pour que ces deux parties puissent s'entendre en discussion, trouver une porte de sortie de manière la plus pacifique possible, pour ne pas dire exclusivement pacifique. Quelle est la différence avec les autres méthodes de résolution de conflits Résoudre un conflit, il y a des, dialogues, il y a la médiation, et puis il y en a plein d'autres. Mais la médiation est euh, la méthode la plus euh, connue, ou surtout euh, la première euh, qu'on envisage, c'est suite à la médiation qu'on va arriver à des négociations qui vont aboutir à des dialogues et puis pour arriver à un accord, à un terrain d'entente. Et donc la médiation, quoi qu'il en soit, reste quand même l'unique euh, moyen de règlement pacifique de conflit. Quel est l'avantage de la médiation par rapport aux autres approches des résolutions d'un conflit. L'avantage, c'est que les deux parties ou bien le parti en conflit ne vont pas se sentir lésés si le médiateur lui-même il est euh, impartial et puis il prend pas position. Chacun amène ses besoins, ses intérêts, ses positions. Et lui, le médiateur, va venir au milieu, accompagner les parties en ce conflit-là, de faire des concessions par là, tirer par ci, etc à travers un aller-retour. Et puis le médiateur au milieu, il va mettre un moyen de communication entre vous, permettre à chacun de comprendre l'autre. Et ça peut prendre du temps, mais ça finit toujours par aboutir tant qu'il y a toujours un champ de discussion. À chaque fois, quand il y a des discussions, des échanges euh, pour régler euh, euh, un conflit, surtout dans les cadres de la médiation, souvent on inclut les femmes, les jeunes, les enfants dans les processus Est-ce que c'est important de les inclure quand vous dites médiation déjà, il faudrait que toutes les parties se sentent quand même euh, prises en compte. On ne peut pas mettre en place une médiation tant qu'il y a une partie qui se sentira lésée. Et quand on dit inclure les jeunes, les femmes, c'est de manière inclusive pour que chacun trouve son compte. En tout cas, que chacun se sente acteur de règlement de ce conflit et non juste un observateur qui risquerait d'être soit euh, la victime ou bien le perdant dans la gestion de ce conflit. Et donc, inclure euh, toutes les parties en conflit, notamment les femmes, les jeunes, c'est très fondamental, ne serait-ce que pour la durabilité des portes de sortie auxquelles on va aboutir. Euh, les femmes, on le sait, dans nos sociétés ou même de par le monde entier, ont leur place. Ce qu'il faudrait retenir, l'inclusion est fondamentale dans un processus de médiation, mais la médiation aussi, l'approche va varier d'un conflit à un autre parce que les conflits ne sont pas les mêmes. Vous avez un conflit entre agriculteurs et éleveurs. Si ce sont d'un village donné c'est des personnes âgées, donc la question va concerner ces parties uniquement, même les femmes, pas forcément parce qu'elles ne sont pas parties en conflit. La durabilité des accords de paix à la stabilité à long terme, soit dans une région ou dans un pays, comment la médiation peut-elle contribuer à cette durabilité Là, vous donnez rapidement un exemple d'un projet qu'on appelle Inside Media mis en œuvre par l'ONG Search for Common Ground. C'est clair que un conflit qui va éclater et puis on va trouver à travers une médiation un terrain d'entente peut-être ce terrain d'entente va aussi provoquer un nouveau conflit, etc., etc. Mais le plus important, c'est de toujours avoir un moyen de discussion, un canal d'échange. Il est très important qu'il y ait un accord. Et cet accord, il faut qu'on lui donne un moyen de durabilité. Il y a des médiateurs qui ont des appuis au niveau communal, au niveau des chefs traditionnels. Ils vont procéder euh, à travers euh, tous les processus, les étapes d'une médiation ils vont trouver une porte de sortie, finalement, il faut qu'il y ait une signature d'accord en public quand vous venez vous signez un accord en public et des fois en présence des médias, et donc le respect va de la crédibilité de même la communauté en question. Et puis cet accord de conciliation ou de non-conciliation, il est par la suite archivé au niveau des mairies, mais aussi au niveau des services judiciaires compétents, juste pour lui donner un caractère relativement formel et permettre à toutes les parties de prendre connaissance de l'existence de cet accord et ça donne un poids. Et dans le cadre de ce type de projet dont je vous ils organisent quelque chose qu'ils ont appelé euh, activité de solidarité, où on signe un accord autour d'une, euh, pas une fête, mais quand même euh, dans une chaleur euh, conviviale. C'est la construction de classes ou bien de forages ou bien rénover le, couloir de passage pour ce qui est des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Et ce qui est original dans ce projet, la main d'œuvre qui va faire ce travail, c'est pas des personnes qu'on va recruter, ce sont les bras valides des parties en conflit. Fanta, avant de poursuivre l'émission, je vous propose d'écouter le titre Timidity de la troupe nasson. Tamiditin qui veut dire Mon ami en tamashek est chanté par Risa Agwanagle. Originaire de la cité minière d'Arlit, il découvre la guitare à la fin des années 80 puis perfectionne son apprentissage aux côtés d'Abdallah Umbadougou à Tamnara Seta en 93. L'année suivante, il crée son groupe euh, en Livy avant de revenir au Niger en 98 et d'intégrer Takris Nakal l'orchestre d'Abdallah. C'est tout naturellement ce qu'il joint au collectif Désert les Rebelles à partir de 2006. Maintenant installé à Paris, Rissa a créé le groupe Atrin Nassif, formé de plus de musiciens touareg et français, mais également burkinabés et algériens. C'est le fruit de sa rencontre avec le percussionniste français dénommé Plume. şankar ana hara ginaro ani dinina shankar ana hara ginaro wakillahi sarama sabido natashaka wakillahi sarama sabido natashaka miditti nalam ajadwi salam namiditti nalam ajadwi salam Madalas na ko Ramadan Voilà, chers auditeurs, après cette balade musicale, je vous propose la deuxième partie de l'entretien du jour. Cette fois-ci, Adamo Moussa revient sur les critères de sélection d'un bon médiateur. Il est au micro de Tarnan Foudé Ahmed. Maintenant, nous voulons savoir euh, quels sont les éléments clés à prendre en compte dans la conception d'un mécanisme de résolution de conflits par la médiation. On ne peut pas être médiateur dans un conflit s'il y a une partie en conflit qui n'est pas d'accord avec votre euh, crédibilité ou bien votre légitimité. Donc, euh, une fois il y a cette reconnaissance, il y a des qualités qui sont données à un médiateur. C'est cette capacité, l'endurance et puis la patience et même la passion. Et surtout aussi ne pas prendre parti comprendre les sensibilités des uns et des autres et surtout viser un seul objectif, comment les amener à discuter, à échanger et à trouver un terrain d'entente. La médiation ne peut pas avoir lieu si une partie a peur d'aller vers l'autre partie ou bien l'endroit qui est réservé à la médiation, le cadre pour venir échanger. Une partie ne peut pas y aller. Le médiateur, une fois qu'il est identifié, il va aller rencontrer les parties en conflit séparément. À chaque fois, il va enregistrer quels sont les besoins, quelles sont les exigences, quels sont, etc., etc. Et puis, le problème lui-même. Il faut reconnaître que c'est un problème processus qui peut être court tout comme il peut être très long, en fonction de la façon dont les parties en conflit collaborent et répondent, et surtout aussi de la crédibilité ou bien de la capacité de mener à bien le travail de ce médiateur-là. Il n'y a pas une formule voilà figée autour de laquelle ça va se passer, non, ça, ça varie en fonction de l'évolution de la situation et du contexte aussi. Il y a des gens, ils ont les compétences, mais ils n'ont pas la capacité réelle de le faire mm-hmm. parce que capacité d'écoute, d'empathie, la patience, sens de responsabilité. Quels sont les principaux défis que vous, rencontrez euh, dans la mise en œuvre des projets de médiation comme celui-là même que vous dirigez vous-même Le défi euh, pour ces cas spécifiques, hein, c'est tantôt l'accessibilité liée à l'insécurité et surtout comment appeler ou amener les parties en conflit dans leur intégralité à collaborer. C'est le premier défi. Vous savez, euh, on peut vouloir euh, intervenir en médiateur dans un conflit, mais comment se faire accepter par toutes les parties en conflit quand les parties en conflit ne vous connaissent pas si vous êtes un externe, ils vous connaissent pas, ils seront réticents. Si vous êtes un local, c'est difficile que toutes les parties en conflit acceptent facilement votre euh, sens d'impartialité. Parce que quand à un moment donné, une partie se sentira un peu lésée, que ça soit à tort ou à raison, on va vous taxé d'être responsable de ça, d'avoir pris parti ou défendre tel ou tel parti. Le médiateur doit s'attendre à ça et se donner le moyen de prouver le contraire le long du processus de la médiation. Et c'est pour ça il faut de l'engagement, de la ténacité et puis euh, de la détermination. La confiance, c'est vous qui l'installez. C'est une question de communauté. Vous pouvez avoir une légitimité connue. Par exemple, ici au Niger, on connaît, il y a des chefs coutumiers, chefs religieux, chefs traditionnels. Quand ils parlent, on sait que c'est du sérieux, on va les écouter. Comment votre projet vise-t-il à renforcer les capacités des médiateurs et à améliorer leur efficacité dans la résolution de conflits Insider Mediator, c'est un projet qui a des médiateurs au niveau des communes et, et, dans chacune de ces communes, 20 médiateurs sont sélectionnés et on les appelle les médiateurs locaux. Ces médiateurs locaux, quand l'équipe projet arrive, va présenter aux mairies qui sont la porte d'entrée. Voilà notre projet. Il consiste à contribuer à renforcer la paix et surtout à construire la paix, ce qu'on appelle peace building. Comment nous, nous allons contribuer et surtout accompagner les efforts de l'État dans l'installation d'un climat de paix et de tranquillité dans les communes. Donc des communes sont choisies, on vient, on présente à ces maires-là le projet et puis on dit voilà, c'est une dizaine de critères, voilà 20 médiateurs volontaires que vous allez nous proposer en tant que communauté. Ah, c'est des volontaires. C'est des volontaires. Pour le cas spécifique de ce projet, la sélection, c'est pas le maire qui le choisit, mais le maire, connaissant bien sûr toutes les couches de sa commune, il va essayer de nous inviter toutes les parties de telle sorte que ça soit inclusif, au minimum 30 à 40% de femmes et de jeunes. Euh, et puis les critères sont là, euh, la disponibilité avoir le sens de responsabilité, une acceptation communautaire. Il est demandé aussi un niveau d'instruction euh, relativement euh, important. Mais là, c'est difficile de faire l'équilibre parce que vous pouvez être un beau médiateur, mais vous n'avez pas euh, un diplôme ou vous ne pouvez même pas parler français. Et par la suite, ces personnes sont formées sur plusieurs thématiques notamment c'est la médiation elle-même, les dialogues, les négociations, la communication, les plaidoyers, l'inclusion, etc., etc. Comment mesurez-vous le succès et l'impact de vos initiatives euh, de médiation à long terme J'en suis sûr que les conflits ne finiront pas. Et à un moment donné, il faut les normaliser. Il y a le vivre ensemble, et quand il y a vivre ensemble, il y a toujours des conflits. Et ces conflits, c'est quand c'est mal géré, que ça se dégrade et ça conduit vers la violence. Et donc c'est important de s'attaquer au conflit de la base. Et surtout aussi, c'est un mécanisme dont on a traditionnellement hérité. Le monde entier, je le disais tantôt, a toujours négocié, a toujours médiation entre nous. Pourquoi à un moment donné, on n'arrive plus à s'écouter et à ne plus mettre en place cet outil de, de médiation C'est parce que avant, il y avait eu des conflits qui ont été mal gérés et la médiation doit revenir. Il faudrait qu'on nourrisse ce climat d'apaisement à travers l'écoute. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Fanta, c'est le de notre rubrique hebdo qui parle de la santé, la conjonctivité n'est-ce pas Oui, la conjonctivite ou Apollo est une maladie favorisée par le manque d'hygiène. Elle continue de se propager ces derniers temps à Ningimi. Comme nous l'explique ici le major Sani Sheibou de l'hôpital du district sanitaire de Ningimi, il est au micro de Abdoulaye Maina. yanzu sauyin lokaci ne damana ta huce kuma sanyi yana shigowa yawanci a cikin wannan sauyin lokacin ana samun matsaloli kamar su ciwon ido to shi yanzu dai wannan ciwon idon dai abin da yake kawo shi na farko dai akwai kazamta kuma iskan nan da take bugawa ita take kawowa wannan ciwon idon conjunctivitis mu muke ce mishi tunda fata ce take kumbura kuma ana ce mishi apollo kaman mutane yawanci suna zuwa ne nan ganin ku likitoci koko da ya ne ya kai kaman sati biyu uku haka muka fara samun wannan wannan ciwon ido na apollo suna zuwa nan akwai waɗanda suke zuwa nan in suka zo kuma muna waya musu da kai mu ba su magani mu rubuta musu maganin da ya kamata su rika sawa to kaman wani irin illoli ita wannan cuta na ciwon ido yake da ita ne ga lahiyar bil adam to wannan cuta na ciwon ido na apollo gaskiya yana da illa tunda mafi yawa wa'ansu busa ma zuwa likita wa'anda busa zuwa likita su ne suke zama a gida suna auto medication me muke nihi da auto medication in kai yi rashin lahiya he kai zaman ka a gida kama kanka magani to wannan bai dace ba saboda shi apollo wannan kamar fata ce ta ta gira take kumbura kenan yanzu kai in kai auto medication zaka tafi ka sai magani a chemist ko kuma ka tafi a sai da ma magani a pharmacy ba likita bai rubuta maka baka san magani maganin ne ba in ka zuba a ko maganin da zaka zuba ya maka illa ya goge ma madubin ido kaga madubin ido kuma in ya goge kenan ido ya gani ba to anan ne ido yake samun matsala kawai daga kaji wannan ciwon idon ka garzayo ka zo gida gidan likita akwai magani da za a ma kuma za a waye ma da kai ga yanda za a kare ga yanda ake dauka eh, akwai waɗanda suke wanke idan nasu da ruwan zahi da kuma gishiri hakan wani irin illa ke da shi ne ga In ka zo gidan likita, shi likita shi zai gaya maka ga yanda zaka kare tunda wanda ya kamu in ya ba ma wani hannu yana iya ɗauka. Kenan hannunka zaka wanke shi da kyau. In ka wanke shi da kyau kuma idon nan shi ma abin da ya dacewa a wanke shi da sabuli dan kufuro. Labibel wannan ana samu kuma kana iya sa luleti wanda zai kare iska nan. Iska an tana shiga kuma kana iya ɗauka. Sai ka sa luleti baki mai dan duhu-duhu wanda zai kare. Da ke kayi batu na hanyoyi da ya kamata a bi dangane kare kai da kamuwa daga ita wannan cuta yanzu wani kira gare ku ga al'umma ta nan garin gegime to kira da nake da al'umma na nan garin gegime ka san yawanci suna ciwon ido suna taba idon haka suna goge idon to kenan in baka wanke ba da kyau in kuka gaisa da mutum shi ma in ya goge yana iya dauka kuma yanzu misali kamar iska yanzu koran nan da ake kawo ita ma tana iya sama wannan ciwon idon kenan kariya a samu luleti mai dan duhu duhu ana sawa kuma wanda ya san yana da wannan ciwon idon ya wanke hannun shi da kyau da dan koro kuma kai ya ɗora hannun shi a saman ido ya samu lotis wannan in ya goge kuma in ya goge da lotis kin ya zamanto kai ya yadda a layi wanda ya goge nan inda son samu in a kaman a likita ne a ko pubel wanda ake sakawa in ma a gida ne a samu dai a kona shi dai kai ya iska ta dauke shi ka a yadda shi akan layi kuma kira na karshe dai da zan ce mutum in dai wannan ciwon idon ya kama shi ya garzo ya zo gidan likita zai samu magani zai samu kulawa kuma za a kwatanta mishi yanda zai kare yanda ba zai mushi ba illa tunda ciwon ido an ce ciwon ido in ka sa magani yana goge madubin ido kuma magugin ido in ya gugu kenan shi kenan shine yake kawowa makafta in dai mutum bai da lahiya ya zo likita kai ya yarda ya magani a gida saboda magani a gida kai ba likita bane ba kai ba karatun shi baka san me zaka tafi ka sha ba baka san ba me zaka tahi a baka kenan ka zo likita abinda likita ya gaya ma ka yi aiki da shi saboda magani a gida wannan gaskiya yana da illa C'était les explications du major Sani Cheibou de l'hôpital du district sanitaire de Nigimi sur les causes, les conséquences et la prévention de la conjonctivite appelée aussi Apollo. Rekia, faisons encore un autre tour en musique avec le titre Kolelenka des Mamaki Boys. ce ta yamma ga chad ka gani wasu sun ce nishiyar kasar da ake kasarwa bisa waiwai amma ko nishiyar ta gode allah mai girma su ba da wata ala kasar ko ba komi akwai addini zumunci ba bambanci tarbiya lumana ba ha inci wani in yayi rawa haka ta ba wani in yayi rawa sai kashi ta ma zahi Mamaki Boys a été formé en 2002 par deux frères, Aziz Tony et le défunt Bachir Issouf Omar Bacho. La, la, particularité de ce groupe, euh, c'est ce magnifique mixage entre le style traditionnel et le style hip-hop et ces rythmes de Douma présents dans toutes les réalisations. Leurs chansons sont toutes inspirées des textes des grands artistes traditionnels. Aziz Tony évolue en solo bien avant le décès de son frère et partenaire Bacho en 2019. I say, and I c'était le titre Lenka de Mamaki Boys. Place à présent à l'écho des régions de ces mardis direction Maradi, plus précisément dans le département des Mayaï, pour parler de l'importance des forums communaux. En effet, Fanta, la redébabilité et le compte-rendu à la population de la situation que vit la commune. Elle constitue un système de bonne gouvernance. La commune urbaine de Mayaï s'attelle à, cet exercice pour permettre à sa population d'être au même niveau d'information. Voici le reportage de Issoufou à Mayaï. magabatan komin wajibi ne lokaci zuwa lokaci suna sanar da al'umma irin da suke toyawa ma'ana yadda komin ke ba da labari yana da muhimmanci ga tahiyar komin don ana so ne a ba al'umma haske su san abin da ake magabatan komin suna shirya tarurruka na jama'a ko kuma suna amfani da kohin watsa labarai don sanar da jama'a wannan sanar da jama'a na sanya wa jama'a su yi kishin komin insu sannan su sabke nauyin da ya rataye a wuyansu da kuma abin da suke jira daga komin insu alhaji mu'azu dan maka shine magajin garin mai mun yi taro guda tunda muka zo da ake cewa da wanda doka ce ta ci aishi in aka yi wata shida wata shekara ya kamata a tara mutane a gaya musu inda da'ira take wannan waye kai gaskiya ni sai in ce uh, gwandagi ma nake da shi wanda suke kamar wasu wanda ba sani ba za mu gaya musu ga yanzu dai na cikin Nijar kumin da ke gaba wajen biyan lan hukumin din mai tunda ga bara lahun 2022 kenan shekarar ta wuce kusan sai in ce kowa ma biya lahun shi kaga ko alheri ne wanda yarda ce da juna ana zanta da al'umma shi ya sa mutane sai gane suka biya su kuma ko ga yanzu dama ma wanga na 2023 shi ma mun ba kashi hamsin da biyar baya. Komin inda ke ba da labari ta hanyar tattara jama'a ko kuma ta hanyar koyon watsa labarai za ka ga komin in na ci gaba kuma jama'a suna ba magabatan komin in yarda sannan kuma jama'a suna gwada kishi. Wanin hirinta da mutane shi ke sa mutane su gane duk abubuwan ya faru mutane suna nuhu komin in na tashi sai in ce muka wani mun hudar da ke garinmu da al'umma komin urban ta mai sai mu ci Allah saka da alheri tunda mu muna ganin abin na canzawa kwarai tunda duk yawancin abin da aka tambaye mutane suna yin shi. Sai dai duk Duk da ƙoƙarin da ake na sanar da jama'a akwai wasu masu bishirewa, sabili da rishin ganewa ko kuma rishin kishi. Duk da doka ta ba komin damar ƙirƙiro hanyoyin shigar kuɗi daidai da albarkar wurin, akwai wa'ansu wa'anda ya kamata su sabke nauyinsu don suna amfani da kayan komin. Amma ina. Muna da shagunan kasuwa wanda mutane an tambayo su bashi ba su biya ba masando shine suka suka ma commune urban to waɗansu suna biya waɗansu ba su biya kwanan gaba vraiment zamu yin takardu ma aika ma duk wanda ba su biyan eh, shagogin nan ga gari ma haka ne cin gari yan shaguna wani cin gari le kisu na cin gari yawancin shagunan da ke nan garin wanda yawan Lakers Club su ta takardu yan asangan da ake amsa na shaguna na ini ini to duk zamun nan zamu sake wannan tsarin tunda da su ne wannan kuɗin ake samu a ma komin aiki har yan magabatan kowace komin na son komin in su ta ci gaba kuma jama'a su ga haske kuma jama'a su ba komin in su goyon baya sai ya zamanto ana ba jama'a labari yau duk abin da ya dabaibaye tahiyar wa'ansu komin shine rishin ba da labari ba da labari Chine commune. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Et c'est l'heure du sport à présent avec Soumana Amadou. Bonjour Soumana. Bonjour, Bonjour à vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons dans la région de Tilaberi, plus précisément à Saï, pour, voir comment se, comment se porte le sport dans ce département. Et eh oui, nous avons été dans le département de Saï et je me suis entretenu avec M. Doudou Karimou, qui est le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la culture, qui donne des détails à ce qui concerne le sport en général dans le département. Il y a beaucoup de disciplines qui sont euh, pratiquées ici à Saï. Même dans l'enceinte euh, du centre de promotion de jeunes là, dans la soirée, vous allez remarquer vraiment un engouement euh, autour du football, du basketball et des arts martiaux aussi. Parce que ici, en dehors du taekwondo, ils pratiquent aussi le kung fu. Si on prend par exemple le kung fu, il y a deux mois de cela, ils ont participé au championnat national. À chaque fois que cette équipe là arrivent à sortir pour les compétitions régionales et nationales. Ils apportent toujours des médailles. Le football, vraiment, on n'a pas une équipe euh, représentative au niveau de la région. Donc, euh, la pratique s'arrête au niveau du département. Par rapport à la natation, effectivement, on est au bord du fleuve. Rien que l'année passée, la Fédération nigérienne euh, du sport nautique a organisé son championnat national ici à Saï. Au cours de ce championnat-là, beaucoup des athlètes du département de Saï se sont illustrés. La lutte traditionnelle, dans la perspective d'organiser le sabre national, on recherche les talents. Saï, de manière générale, c'est pas une localité où la lutte est développée, mais avec ces centres-là, on a une heure de lutte. L'année passée, on avait euh, commencé à initier les enfants. On va va continuer dans ce sens-là pour que la lutte là aussi soit développée dans le département des Saï. Et le docteur a aussi évoqué le manque d'infrastructures sportives pour les entraînements des différentes disciplines. Et mesdames, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Merci, beaucoup, Soumana, et bonne journée à Bonne journée Rekia, c'est l'heure à présent de découvrir notre star du jour, nest En effet, Fanta, le portrait du jour nous amène à Dogondouti à la découverte d'une jeune apprenante en alphabétisation et en couture au centre socio-éducatif Wayakai. Romanato Hassan est âgée de 19 ans. Son portrait avec Samira Rafiq. Romana Toasson est une fille qui a abandonné ses études pour se lancer dans l'apprentissage des métiers au centre d'alphabétisation de Douchi. Âgée de 19 ans, elle explique pourquoi elle a fait ce choix. J'ai quitté l'enseignement général depuis des ans pour opter pour cette école d'alphabétisation. Je ne comprenais pas vraiment le cours. Souvent que tu sois réceptive au cours ne signifie pas que tu comprends grand-chose. Normalement, toutes celles qui ont du mal avec l'enseignement général elles doivent prendre leurs précautions. Depuis qu'elle a rejoint le centre d'alphabétisation et d'apprentissage, Romana te dit comprendre mieux et avance à son rythme. Elle dit apprendre beaucoup de choses et cela a radicalement changé sa vie de jeune fille. E J'ai beaucoup appris. Je sais à présent lire et écrire. À part cela, j'apprends des métiers manuels et je sais que je peux y arriver. J'ai senti vraiment un énorme changement car il y a des choses que je ne pensais pas possibles étant à l'enseignement général. Mais depuis mon arrivée ici, je le suis et je sens que je peux le faire. Habib Danladi, directeur du centre socio-éducatif Waekai, dit trouver la jeune fille très soucieuse de ses études et trouve qu'elle a beaucoup de potentiel. tous c'est d'abord une fille euh, très disciplinée, très engagée. J'ai passé deux ans avec elle et on sent très bien que c'est une fille vraiment qui a de l'avenir parce qu'elle comprend vite. Elle est de bonne éducation. Romanatou reconnaît l'importance des études. Elle appelle les autres jeunes filles à bien choisir leur domaine pour se sentir à l'aise. Voilà, après ce reportage Rekia dégustons ensemble le dernier morceau de notre playlist d'aujourd'hui avec le titre Bakanda de Kelle Bagobiri de Maradi. passons à présent à la rubrique à la chronique Loti d'aujourd'hui pour rappeler aux mamans l'importance de bien protéger les enfants euh, pour éviter toutes les affections liées au froid. Et ça tombe à pic, Rekia, le froid s'annonce et il ne veut pas nous lâcher cette année. On écoute et on revient. Hey kake gani yana guje-guje a cikin hilin nan ba riga balle takalmi. Lale da ke barira ai kya bari mu gaisa ma ku. Hmm, ai biki san Adnan bane ba. Ta wurin kan tsiya ne da shi duk sanyi baya kaunar sa kaya. Ai jarumin yaro kenan. Hmm, ikon Allah, na nawai kina da lahiya kuwa? Ke baki san cewa ba, wannan lokacin na ɗari na kwashe ne da duk wata cuta da ta shafi sheɗa ba? Hmm, kya shi barira, ita sheɗa har da wata cuta gare ta sabon salo kenan. Ke ban son shasharatu. kike mai da kanki kamar wadda bata san komi ba wai ba ke bace kika zo neman tallafi lokacin da yar kimina tana tari ko kin manta ga masassara hanci na zuba mantawa fa mantawa da lokacin da yata ta kusa rasa rayuwarta to wai ma ina hirar mu kuma ina ciwon mina likita bai ce miki ba da yar kimina na fama ne da cutar huhu ai ita ma cuta ce ta shida ke an yi haka Kina da gaskiya, amma ran nan ai bai ba mu sabilin ciwon nata ba. To malama, bari in gaya miki ya baki sabili bai baki sabili ba bai kamata ba ki bar ɗiyanki su yi cuta duk duniyan nan babu wa'anda cututtukan fuhu ko na sanyi ko kuma na majina suka fi shafa kamar yara kuma babu abin da ke kawo su kamar wannan sanyin da kuma bala'in ƙuran nan tsakaninki da allah barira a bari in kama jikina kai adinan Wuce ka ga in maka wanka ka samu ka sa kaya. Ai ciwo abun gudu ne. Ke tsaya, tsaya nana. Bari zaki har rana ya fito. Ki mishi wankan. Sannan ki samu kayan ɗari ki sanya mishi musamman ma waɗanda aka sarrafa su da kaɗa ki kuma sanya musu hula da sosaiti sannan kuma kar ki manta ki rika rufe su da bargo a daddare idan za su yi kwana wa'annan shawarwarin da nake baki suna ɗaya daga cikin rigakafin cututtukan sanyi. Sannan ba wai dole bane sai kin musu wanka a ko da yaushe, ko so ɗaya kika yi a kowane kwana biyu ya isa. Ai na ji kuma barira zan ɗauka in Allah ya yarda. Dan lalle rigakafi ya yi magani. A'a fa ki kama jikinki. Ai ina san ba zan yarda Adnan ya kamu da waɗannan cututtukan ba. Na gode yar uwa, sannin ki da kulawa. To fa, in kunne ya ji? Jiki ya tsira. To, gwanda da kika sani. Voilà, c'était la rubrique Lotti d'aujourd'hui. Chers auditeurs, nous allons à présent passer à la culture linguistique avec Asmana China. Bonjour China. Bonjour China. Bonjour Fanta, bonjour Rekia. Alors, quel est le mot du jour Le mot du jour aujourd'hui, c'est réconciliation. Réconciliation, donc, c'est un nom féminin. C'est l'action de restaurer les liens d'entente entre adversaires, donc des gens, qui, des gens fâchés entre eux. Mhm. La réconciliation intervient donc à l'issue d'un conflit. Elle permet de clore définitivement la mésentente entre les parties en conflit. Parfois, cette réconciliation s'obtient par un simple geste d'une des parties, comme par exemple en s'excusant ou en demandant le pardon auprès de l'autre. Un geste peut aussi suffire pour désamorcer la situation. Mais dans certains cas, il faut l'intervention d'une personne interposée pour réconcilier les parties en conflit. Et pour ce faire, il faut d'abord comprendre le nœud du conflit, prendre le temps de fouiller, ce qui permet d'amorcer une réconciliation efficace. zan da hausa mhm. wato reconciliation ana kuma ne na da ana iya cewa kamar neman a sasanta kan mutane biyu ko kuma mutane da waɗanda ba su gane ma juna mm-hmm. neman a ga sun dawo suna gane ma juna kuwa a warware matsalar da ke tsakaninsu wato ita dai an ce sasanta da an ce wa kenan akwai wani matsala da samu can daga farko wani lokaci ita wannan sasantawa tana faruwa ba ma sai an biyu hanya mai mawuya ba kamar ɗaya daga cikin waɗanda suka samu matsala in ya nemi a sasanta tana yiwu a sasanta to ta hanyar ko neman gahara mhm. da sauransu ko kuma ka kama hannun mutum dai ko kuma ka kalle shi kai masa dariya dukan dai ana iya samun sasanta ta wannan bangare mhm. amma kuma idan abin ya yi kamari ya yi tsanani dole sai an samu wani mutum wanda zai shiga tsakani wato kamar mai sasantawa kenan shi kuma idan zai nemi sasanta dole sai ya nemi ya sani ne da dalilin wani rikici da ke tsakanin su wannan ne ke ba shi damar biya hanyoyi mm, wato na gaske domin ganin cewa an samu sasantawa wadda da an yi ta za a samu gane mai juna mai ɗorewa tsakanin mutanen da a can da ba su fahimtar juna kuwa a mm. takaice zai abin da zan gayi kenan. to mun gode shina. Et pour nos chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser un message au 82 89 89 64 si vous avez des mots ou des expressions que vous aimeriez comprendre en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde. Votre participation est la bienvenue. Et justement, Fanta, il est temps pour nous d'écouter les messages envoyés par nos auditeurs. da an zo nan bakin kasuwa filinge bakin kasuwa kasuwa haci kwarai na nan ga sai zero armani na sauraron abin sai kare goma na allike rediyo muryar talaka ina sauraron shi wallahi duk gyaran ma da ya kamata a yi tunda ko wanda aka yi sha ɗin nan wani sa'i ana sauraron shi sai a yi kufir shi ɗaya na matsala amma wallahi babu wani gyara da muku wallahi ya yi bai da wata matsala wallahi ya wani nixon gaira Eh, ina gaida tsohona ina gaida tsohuwata ina gaida yan uwa da amina arziki da yawa ina gaida su ina gaida fatan mu kulab gawa zaki nan bakin kasuwa filinge ina musu fatan alheri kowa da kowa wanda a cikin ta ina mai fatan alheri gandu bako tullorani lalle siriyo kalango ina sauraron ta kwarai kuma kwarai kuma nika jin daɗi kuma sauraron ta wallahi don saboda akwai abubuwa waɗanda baka gane ba in kana saurare wallahi kana ji sai ka gane da su kanka na ƙara waya wanda ga sauraron shi ko shi na da duhun kai sannu sannu waɗansu abubuwa ba ka san su ba sai ka ji su ka gani shi kenan ka ga kanka ya waye kai gani ci gaba na saboda in ka kai ma kana kwatanta mu wani kenan wannan in ya ji abin nan shi ma ke gani kan sha waye wallahi akwai mutane waɗanda ne ka so yan gaida insha Allah ina gaida Hiya Hamza ba da bace ina gaida mai garin mu mummuni tullorani ina gaida horiya zangi ina gaida sa'idu bare ina duban gaisuwa da fata alheri allah ya sa saƙon gaisuwa kai gare su laya Yahaya mai taba. To su so kalangu to dangane shirye-shiryen su dai abin da za mu ce muku dai shi kenan muna sauraron muna ji abubuwa dai abin da ake yi ciki eh muna jin daɗin kuma ana yin su eh saboda abin da baka sani ba sai ka iske ka san shi ka gani ka tambayi wani kuma ka bada amsa kuma ana cewa eh ha eh, haka nan ne kenan ka gani saurare ka haka wallahi ya yake kokarin mun ji daɗin haka nan eh insha Allah farko dai ina gaida zakar mai taba eh ina gaida sama'ilu mai taba insha Allah ina gaida ahlus sunna Eh, ina gaida su ina gaida zakari ina gaida sa'idu mai taba eh, insha Allah ina gaida su ina gaida habibu dan mai gidanmu ina gaida alhaji ana duk ina gaida su Nasya Salamani Koyucu Dükkeç Kapsulu Kimi Fonda 2002 Yes Dingiza Dingi Dingiza Kimi Fonda Mavasafa Kocama Korogama Sıfıza Gano Mora Vasansi Korufa Leposola Leposola Hey Kosovo. Hey. Będziemy do Hey. mora, Hey. Masa fonda. Yes. dingi dingiza. Give me fonda. Ma wasofa. Hey. Będziemy do Rogomba. Hey. Co wyzagano, mora, łosancy forufa. Lepo są la. Lepo są la. Hey. Masa fonda. Hey they was wanga fizo guy. they was sika the niggas I'm a wasa fa nigga was once to go to far j'ai choisi ma voix against la communauté de tarés ceux qui se sont pitié flotte like the cliché. le songe qu'à faire de moi en en pensant dans ma société homeboy we ready to fight don't lie don't be afraid to die I got a win cause I wanna fly to touch the sky this world seems so better when my brother's game root root to right simple like me my family from the personality way cross home I got a change for people who check my tradition as long Voilà, chers auditeurs, nous avons adoré passer ces moments en votre compagnie. Espérant que vous avez également apprécié. Retrouvez demain à 11h Rukayeta Abdraman et Rabietou Mekano pour un autre numéro de notre émission Le Niger sur C'était Fanta Chamsou et moi-même Rakia Arimi. À la technique, c'était Saini Isaka et Adama Doaki à l'édition.